Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne Le Forum du Studio au Kalangou. Le thème de ce soir porte sur l'entrepreneuriat des jeunes au Niger, qu'elle apport des partenaires techniques et financiers pour son développement en cas de la France. Le Niger compte une population estimée à près de 22 millions d'habitants, dont les jeunes représentent plus de 70%, selon le dernier recensement général de l'Institut national de la statistique INS. Avec une population majoritairement jeune, le problème de l'emploi se pose avec acuité, ce qui pousse aujourd'hui les jeunes à prendre des initiatives à travers la création de leur propre entreprise. Aussi, l'accès de la jeunesse à un emploi productif décent et durable constitue une priorité du gouvernement et les partenaires au développement. Comment se présente l'entrepreneuriat des jeunes au Niger Quelles sont les difficultés auxquelles font face donc à ce secteur Que font l'État et les partenaires techniques et financiers pour donc accompagner la jeunesse dans leur initiative, principalement la France Pour répondre à ces questions et bien d'autres, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Monsieur Issoufou Abdelkader, directeur général Agri-Innov Inspire. Bonsoir Issoufou. Bonsoir madame. Madame Yakuba Alei directrice euh, DL King. Bonsoir madame Yakuba Alia. Bonsoir. Et Madame Mariama Abdou Gado, entrepreneur social web activiste. Bonsoir Madame Mariama. Bonsoir. La présentation est assurée par Fatih Zakari. Je commence par euh, Monsieur M. Issifou Abdelkader. Veuillez donc euh, nous présenter brièvement votre structure. Vous êtes le directeur général de Agri Innov Inspire. Merci beaucoup, madame. Merci pour euh, l'opportunité que vous nous offrez pour parler d'une thématique aussi importante qui est fondamentale dans le contexte euh, nigérien. Agri-Innov Inspire est euh, une entreprise euh, de formation, d'incubation de jeunes dans le domaine de l'agrobusiness. business mhm. Nous avons un site sur lequel nous faisons la production, le maraîchage, l'aviculture, l'élevage mhm. des caprins, des chèvres des moutons balami, des pentades, du moringa. Mhm. Et nous nous appuyons sur ces unités de production pour former les jeunes dans, de façon pratique en agriculture. Madame Mariama Abdougadou, entrepreneur la web activiste oui, bonsoir. Mhm. Je suis la promotrice euh, d'une application mobile mhm. dénommée Kimaski. Mhm. Kimaski qui veut dire en langue kanuri voisin. Donc c'est une application mobile qui a remporté le prix coup de cœur du public lors du concours euh, Orange Entrepreneur Social en 2018. Merci beaucoup. Et donc elle vise à promouvoir euh, l'accès aux services de santé pour les populations nigériennes. Donc pour moi qui suis étudiante en sixième année de médecine, l'idée serait de connecter les médecins les infirmiers, les agents de santé avec les malades mhm. pour qu'ils puissent directement prendre rendez-vous en ligne mhm. et ensuite euh, faire le suivi de leur pathologie chronique via l'application mobile. Donc, histoire de vraiment dépeupler les, les hôpitaux qui sont surchargés mhm. par le nombre pléthorique de patients qui arrivent. Madame Yakuba Ali, l'arrière-tour, directrice d'Elco Work King, présentez-nous euh, <laughs> brièvement votre structure. Merci beaucoup, madame. DLC Coworking est mhm. une structure, euh, un centre incubateur qui accompagne les jeunes et euh, les jeunes et les femmes dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que nous les accompagnons de l'idée du projet jusqu'à sa concrétisation. Nous sommes nés il y a quatre ans, je dirais, puisque c'est en 2017 que nous avons créé l'entreprise. Donc euh, ça fait quatre ans que nous sommes euh, effectivement en activité. Issoufou Abdelkader, directeur général Agri Innova Inspire, euh, quelle explication faut-il donner à l'entrepreneuriat des jeunes Disons, l'entrepreneuriat des jeunes, c'est toute initiative que prendront les jeunes ou prennent les jeunes déjà pour mener une activité commerciale visant à produire des biens ou à concevoir des services qui répondent à un besoin euh, de la société. Et quelle est son importance sur le plan socio-économique euh, son, importance, c'est que c'est le véritable, euh, disons, pilier mhm. de la création d'emplois dans tous les pays. Et c'est ça qui assure, disons, la viabilité économique d'un pays. Mhm. et c'est sur ça que euh, on s'appuie pour véritablement résoudre des problèmes qu'on identifie au niveau de la société euh, pour concevoir alors soit des produits euh, on en parlait tout à l'heure de l'application pour mettre en lien des acteurs, donc ainsi faciliter la prestation des services. On parlait aussi de la production des biens agricoles pour pouvoir satisfaire aux besoins alimentaires de la population. il y a bien d'autres aspects sur lesquels on identifie un problème social auquel on apporte une solution à travers une organisation concrète. Al-Hilariatou, euh, directrice euh, DLC, quelle appréciation faites-vous aujourd'hui euh, de l'entrepreneuriat des jeunes au Niger Alors, c'est une appréciation plutôt mitigée parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans ce secteur, mais c'est quand même un peu difficile. Les, les, jeunes ont du mal à décoller dans ce, dans ce secteur-là parce qu'ils viennent généralement avec pleine d'idées, avec euh, les étoiles plein les yeux, mais au moment d'appliquer vraiment cette euh, idée qu'ils ont, ils ont tout un blocage parce que euh, généralement ils ne savent pas par où commencer et au bout de quelques essais ils arrêtent. Donc c'est vrai que c'est le chemin, tout le monde suit ce chemin-là. Actuellement c'est la tendance, mais très peu réussissent et très peu se retrouvent dans une espèce de cassette chinois. Ils n'arrivent plus à avancer, ils ne sont pas entrepreneurs et ils ne sont pas employés quelque part ce qui fait que c'est extrêmement difficile mhm. actuellement. Donc, euh, nous, personnellement, nous, rencontrons beaucoup de, ces jeunes-là qui sont complètement dépassés par les trucs. Bon, mais bon, je pense que c'est l'aspect euh, du terrain qui fait cela. Mhm. Mariam Abdougadou, quelle appréciation faites-vous aujourd'hui à de l'entrepreneuriat des jeunes au Niger Bon, je rejoins euh, vraiment l'ARIA mhm. pour dire que c'est une appréciation mitigée donc on a deux groupes, ceux qui arrivent à bien s'en sortir dans cet entrepreneuriat-là, euh, du fait du travail qu'ils investissent, mais aussi de leur persévérance. Hein. Et on a l'autre côté où euh, certains se lancent, mais malheureusement, euh, ça ne prend pas. Et c'est la déception, c'est des projets qui finissent dans les tiroirs. Donc j'ai vraiment une appréciation mitigée où c'est une très bonne chose, il faut promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, ça va améliorer l'économie du pays. Mais à côté de ça, il y a énormément de difficultés qui viennent de différents niveaux. Euh, c'est des difficultés euh, institutionnelles, c'est des difficultés au niveau des jeunes euh, eux-mêmes, mhm. c'est des difficultés du marché aussi, on le sait, mais vraiment, c'est, une très bonne chose, mais il faut vraiment recadrer tout ça et pour que les jeunes puissent réussir et que ça puisse impulser le développement du Niger. Kader, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que viennent de dire nos deux invités oui, je suis, je partage euh, cet avis mhm. euh, parce que c'est une réalité. Mhm. Euh, on est dans un environnement, disons, où la culture même entrepreneuriale est assez embryonnaire, mhm. tant bien au niveau social, c'est-à-dire au niveau même familial qu'au niveau euh, académique, mhm. tous les cycles scolaires, on ne nous parle pas de l'entrepreneuriat. Mhm. Euh, la conception même d'un entrepreneur au niveau de la société, c'est que c'est un chômeur qui <laughs> cherche mhm. tout simplement à, se, débrouiller. Euh, du coup, ça fait que il nous manque en fait assez souvent des success stories qui peuvent nous inspirer en tant que jeune, on en eh? a, on a, on a quand même des personnes qui ont assez réussi, qui doivent nous inspirer, mais qui sont eh, en fait d'un certain âge. Il y a eu un gap de transition, disons des générations, où euh, il n'y a pas ce qui nous donne envie vraiment de nous lancer, de nous battre pour nos projets. Et euh, ça fait que c'est vraiment difficile. L'autre chose que je tiens à préciser, c'est la disparité entre les zones urbaines et les zones rurales. Euh, tout ce dont on parle ici, euh, ce n'est que dans les centres urbains. Et mhm. surtout d'ailleurs à Niamey, vous partez dans les villages, c'est mhm. une autre situation où on n'en parle même pas, mhm. on ne voit même pas, les opportunités sont là, les gens ne sont pas outillés pour les exploiter et ils ne sont pas touchés par toutes ces actions euh, qui sont quand même d'une certaine mesure en train d'être faites. L'entrepreneuriat est une base essentielle pour l'économie d'un pays. Comment donc euh, pousser les jeunes à s'y lancer Je pense que pour pousser euh, les jeunes à, mhm. s'y se lancer, mhm. c'est euh, d'abord un accompagnement. Mhm. Cet accompagnement, pour moi, passe d'abord par un renforcement des capacités. tout à l'heure, on parlait de, de, la culture entrepreneuriale elle-même. C'est qu'à la base, il faut une sensibilisation pour que les gens comprennent de quoi il s'agit et comment ça doit se faire. On ne se réveille pas juste un bon matin pour dire que, bon, je vois une opportunité, je me lance. Mhm. Ou, disons, les copies collées de, en business. Genre, Intel a fait une boutique, ça a réussi. Moi-même, je viens faire une boutique à côté. Mhm. Je pense qu'il faut d'abord ce travail de sensibilisation. On outille les jeunes. Mhm. On crée aussi des conditions en termes, euh, disons, réglementaires et institutionnels pour favoriser cet entrepreneuriat de jeunes. Un jeune qui commence une entreprise et que tout de suite les impôts débarquent. <laughs> Euh, d'ailleurs, il n'est pas, il n'est même pas informé de ses <laughs> devoirs en tant que nouveau contribuable et on, on lui dit tout de suite il faut payer telle chose qu'il n'est pas capable de faire. À partir de là, euh, il est agenoué, mhm. Ça bloque la voie pour un autre qui veut tenter de suivre les pas. Et euh, c'est tout ça qu'il y a. Donc, il faut un accompagnement en termes réglementaires, euh, disons, et, et institutionnels aussi l'accompagnement financier. Qui mhm. dit entrepreneuriat dit demande de fonds pour démarrer, quel que soit le domaine, aussi minime soit-il. Mhm. Il faut qu'il y ait un accompagnement, mais un accompagnement vraiment qui s'adapte aux besoins du jeunes. Alors, on ne peut pas avoir un schéma déjà euh, commun pour tous les Niger, non. Chaque région a ses réalités, elle a ses potentialités. Les efforts à faire à Maradi pour éveiller les jeunes à entreprendre euh, n'est pas pareil qu'à Difa, n'est pas pareil qu'à Zender. Donc, c'est tout cela qu'il faut voir pour qu'il y ait un format quand même permettant de, bien Lariatou, vous êtes euh, directrice d'ILC. Comment aujourd'hui inciter les jeunes à s'intéresser donc à l'entrepreneuriat bon, Pour moi, le, c'est, le, schéma est simple. Hein. C'est vrai qu'il faut passer par la sensibilisation, mais euh, auparavant, je pense que la sensibilisation... Euh, elle est bien, mais je pense qu'on devrait institutionnaliser l'entrepreneuriat au niveau même des écoles. C'est-à-dire que si aujourd'hui au Niger nous, arrivons à mettre à, faire euh, un cursus purement entrepreneuriat ou bien euh, dès le collège ou le lycée, on commence à regarder tel ou tel élève, il a telle ou telle capacité, il peut être entrepreneur, il il peut faire ceci, il peut faire cela, mais ce serait très bien. C'est un grand pas en avant. Ça permettra dès le bas âge mhm. que cette envie d'entreprendre directement. Donc pour moi, il faut le mettre euh, dans le cursus académique d'abord. Mhm. pour inciter les jeunes à entreprendre. Parce que c'est comme euh, l'a dit euh, Abdelkader, il dit qu'on dit que l'entrepreneur c'est celui, c'est un chômeur seulement qui se cherche. Donc franchement, on a ces cas de figure là. Oh, il y en a plein. Mais si on commence à mettre euh, cette culture d'entrepreneuriat dans le cursus scolaire, je pense qu'on aurait moins de cas de ce genre-là. Mm. Et l'exemple le plus euh, palpant, mm. c'est les pays anglophones. Mm. Jamais vous ne verrez un étudiant anglophone mm-hmm. s'asseoir juste dire, lui, il est étudiant, il ne fait rien, il entreprend mm-hmm. et dans son secteur. Et s'il n'attend pas dans son secteur, il va entreprendre dans un autre secteur et il va mm-hmm. réussir. Voilà. Donc je pense que moi, personnellement, c'est ça l'idée que moi je, je défends. Voilà. La deuxième partie euh, du forum euh, porte sur les contraintes liées à l'entrepreneuriat des jeunes. De la mise en œuvre euh, du programme de Renaissance Acte 3, le gouvernement prévoit l'insertion de 500 000 jeunes dans le circuit économique. La mise en œuvre de cet ambitieux projet se fera à travers un vaste programme d'incitation des jeunes à l'entrepreneuriat. Madame Mariama Abdougado, comment accueillez-vous donc ce programme du gouvernement euh, C'est un programme qu'on accueille très bien. Hein. Mhm. C'est la bienvenue <laughs> parce que qu'on en a vraiment besoin. C'est vrai que les gouvernements ont montré leur, préoccupation euh, leurs préoccupations mhm. quant à la question de l'entrepreneuriat des jeunes et mhm. du, chômage des jeunes. Euh, je sais qu'il y a pas mal de sommets qui sont organisés, les sommets pour l'emploi des jeunes qui se tiennent généralement à Ouagadougou. Euh, je sais qu'il y a eu un sommet à Abuja où on a parlé de l'employabilité des jeunes, mhm. où tous les gouvernements étaient là. Euh, donc, où ils ont montré vraiment comment ils pensent adresser chacun la, question dans leur euh, pays, mais comment avoir mhm. une synergie aussi entre pays africains. Donc, c'est quelque chose qui tombe à pic mais c'est quelque chose qui, euh, à mon avis, doit euh, être différent de tout ce qu'on a vu. Mhm. Parce qu'on a vu pas mal d'initiatives, on a vu euh, la création d'un cadre de concertation interministérielle mhm. pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, on a vu la chambre de commerce mhm. naître, la maison de l'entreprise, le ministère même de l'entrepreneuriat des jeunes. Ça, c'était quelque chose de poignant au Niger. On a eu un ministère qui s'occupe uniquement de ça. Mais pourquoi est-ce que jusque-là, ça ne va pas Ça veut dire que quelque part, le dispositif qui est mis en place mhm. euh, ne répond pas euh, à la problématique. Mhm. Il n'y a pas euh, un renforcement de ce qui a déjà été fait mhm. pour vraiment adresser spécifiquement comment est-ce qu'on pilote, comment est-ce qu'on met en œuvre l'insertion vraiment des jeunes diplômés comment est-ce qu'on promouvoit l'entrepreneuriat. Je pense que c'est quelque chose qui doit venir avec une innovation, où on va impliquer les jeunes directement pour savoir quels sont leurs problèmes, mhm. quels sont leurs euh, besoins, mhm. comment est-ce qu'on peut les accompagner. Il disait tout à l'heure, c'est différent mhm. d'un jeune à un autre, d'un secteur à un autre. Il faut aussi que ce nouveau programme-là puisse euh, documenter ces success stories-là, euh, DLC, Agrinov, qu'on puisse montrer aux jeunes que c'est faisable et que voilà, le, Niger, le, programme nigérien est là pour accompagner. Il faut vulgariser. Certains gens ne savent même pas mhm. qu'il y a toutes ces choses qui existent et ils ont des idées plein la tête. Donc vraiment, je pense qu'il faut vulgariser. Mhm. Revoir comment on met en œuvre ce programme sur la base des leçons tirées de tout ce qu'on a mhm. et ensuite euh, vraiment euh, mener des actions en impliquant directement les jeunes qui mhm. sont concernés par la thématique. Abdelkader, comment accueillez-vous donc euh, cette annonce euh, du gouvernement euh, Je pense que c'est une très bonne idée, c'est une très bonne nouvelle pour les jeunes. Mhm. Il faut rappeler qu'il y a un cadre stratégique national qui existe, une stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Mhm qui a été élaboré en, en 2019 mhm. ouais, ouais, et adopté euh, par le gouvernement. Mais sa mise en œuvre attend mhm. pour le moment. C'est vrai qu'il y a actuellement des de, de, préparatifs au niveau du ministère de l'entrepreneuriat pour organiser une table ronde des partenaires financiers mhm. pour financer euh, cela. Mais il faut qu'on essaye d'aller en profondeur parce qu'en que réalité, la problématique est tellement capitale que l'État ne doit pas, à mon avis, attendre quelqu'un pour mhm. financer un programme de ce genre. Mhm. Pour moi, hein, euh, c'est vrai que la thématique va parler euh, d'un partenaire <laughs> particulier tout à l'heure, mais pour moi, mhm. euh, pour un État, c'est une question de souveraineté. C'est-à-dire que je ne peux pas regrouper des gens pour leur dire aider ma jeunesse. Non. Euh, c'est ma première responsabilité. Vous avez parlé d'un pourcentage, c'est-à-dire que mhm. c'est un poids énorme mhm. et une bombe à retardement qu'il faut canaliser. Mhm. La question de la sécurité est en train de nous donner tous les éléments explicatifs du danger qu'il y a par rapport à la question de l'emploi des jeunes. C'est un devoir. Le gouvernement a le devoir de pouvoir mettre en œuvre cette euh, stratégie pour faire en sorte que véritablement les jeunes puissent se retrouver dans le tissu économique et social. tout pensez-vous que cet ambitieux programme des plus hautes autorités de l'État serait atteint En tout cas, des efforts sont en train d'être faits pour que ces objectifs-là soient atteints, à travers d'abord le jumelage de trois ministères gérés par un seul ministre. Donc il y a l'entrepreneuriat des jeunes, l'industrie, voilà. Donc ces trois volets-là sont vraiment capitales pour le développement économique d'un pays. Donc pour moi déjà, là c'est un grand pas qui a été fait parce que auparavant on était un peu dispersé, on ne savait pas où mettre la tête, euh, voilà. Donc là au moins tout est centralisé à, un même niveau. Mhm. Donc je pense que rien que la synergie qui est faite à ce niveau-là, c'est mhm. déjà un grand pas. Mhm. Donc euh, sur quoi faut-il mettre l'accent Sur quoi faut-il mettre l'accent Ça c'est une excellente question. <laughs> écoutez, il vient de le dire, la, jeunesse, hein, la jeunesse, c'est une bombe à retardement. Il faut dans les plus brefs délais Essayez essayer d'atteindre un minimum de ces objectifs-là, mhm. parce que les atteindre totalement, ça c'est le leurrer, mais euh, essayer d'atteindre au moins 50% euh, des objectifs, parce que à l'heure actuelle, euh, c'est sur toute l'étendue du territoire, c'est un vrai bon retardement, et il mhm. faudra essayer de ne pas se focaliser plutôt sur les centres urbains. Mhm. Parce que ce n'est pas que les centres urbains qui ont besoin d'être euh, focalisés. Il faut aller dans les zones reculées aussi, parce que les jeunes aussi sont là-bas. S'ils n'ont pas cet emploi-là qui leur permet de subvenir à leurs besoins, c'est comme ça qu'ils se retrouvent dans mhm. des situations bizarres dans les groupes terroristes et autres. Donc, il est très important mhm. de. D'ailleurs, même à mon avis, c'est euh, ce sont les centres. Il faut carrément même oublier les centres urbains. Allez-y directement dans les zones rurales, mhm. commencer par là-bas pour remonter mhm. vers les centres urbains. Voilà. Mariam Abdou, vous êtes jeune entrepreneur. Pensez-vous donc euh, que cet objectif euh, des autorités serait atteint euh, Il faudrait que donc l'accent soit mis sur vraiment l'éducation des jeunes. Mhm. Au moins que les jeunes arrivent au secondaire, où ils ont appris à lire, à compter, parce que ça aide quand on entreprend. Et qu'on puisse vraiment intégrer tout à l'heure, elle le disait, l'enseignement de l'entrepreneuriat dans les cursus scolaires et qu'on investisse aussi dans le renforcement de capacité des jeunes, même ceux qui ne vont pas à l'école, mhm qu'on puisse vraiment les renforcer, au moins leur apprendre à compter, parce que quand on gère une entreprise, on gère des fonds. Il faut qu'on apprenne à lire, qu'on comprenne un peu les choses, qu'on renforce leurs capacités et qu'on améliore les structures d'appui pour qu'elles répondent vraiment aux, besoins des jeunes. Parce qu'on voit des structures démarrer, mais à ce qu'on appelle l'échec entrepreneurial, <laughs> euh, qui découle de plusieurs problèmes. Souvent, c'est il n'y a pas eu une étude de marché, donc on s'est lancé comme ça. Il n'y a pas assez de motivation et de persévérance parce qu'on ne leur a pas dit que ça ne va pas marcher d'un coup. Il faudra persévérer. Souvent, il y a une pénurie des ressources et on a parlé du financement, donc il va falloir que le financement suit. Mhm. Quand on dit aux jeunes, euh, voilà, vous pouvez entreprendre, mais s'ils n'ont pas de fonds pour démarrer, comment ils font Donc, améliorer ces structures d'appui pour qu'elles accompagnent les entreprises des jeunes depuis la création et qu'il y ait vraiment au moins un suivi après sur une année mhm. pour voir comment est-ce qu'ils évoluent et comment est-ce qu'ils peuvent pérenniser ça en fait. Je pense qu'on peut y arriver, mais il va falloir apprendre de tout ce qu'on a vu. Derrière, on a vu tous les efforts qui n'ont pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché Qu'on puisse agir sur tout ça pour euh, aller de l'avant. Monsieur Abdelkader, directeur euh, général Agri-Innova Inspire, quelles sont les difficultés auxquelles euh, font face votre structure pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes euh, disons, en termes de difficultés, euh, je commencerai peut-être par euh, notre capacité d'accueil, parce que bon, il y a les besoins, on est dans, dans les secteurs quand même qui toucheraient une bonne partie de la jeunesse, aussi bien rurale que urbaine, et qu'on est sur quand même un site assez modeste, mhm. avec une salle de formation d'une petite capacité, 16 places. Mhm et que bon, notre capacité de touche pour le moment n'est que urbaine, mhm. ce qui est malheureux pour nous et parce qu'on voulait toucher véritablement les zones rurales mhm. pour leur montrer une autre façon de faire l'agriculture, comment est-ce qu'on peut la moderniser, lui changer un visage pour qu'elle mhm. soit plus rentable et plus intéressante, et comment est-ce qu'on pourra créer, disons, un lien entre les agripreneurs et les, les producteurs ruraux. Mhm. Et cette difficulté euh, nous handicape euh, énormément, euh, mais on pense que, en tout cas, à, l'allure où nous sommes en train d'avancer, on pourra avoir un bon maillage territorial d'ici quelques temps. Laria, directrice DLC, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face Oh, les difficultés, elles sont nombreuses, hein, mais euh, celles qu'on rencontre le plus souvent, c'est que nous sommes presque dans le même cas que euh, Agri Innov Inspire. Nous, avons des capacités modestes et le plus souvent, les porteurs de projets euh, qui viennent nous voir pour qu'on les aide à structurer un projet autre pensent mhm. qu'on est des bailleurs de foi. Donc, ils viennent avec le projet, ils me demandent est-ce que vous pouvez financer ce projet. Donc, quand on dit que, écoutez, nous, la seule aide qu'on peut vous proposer, c'est vous aider à, structurer votre projet du début jusqu'à la fin. On n'est pas des bailleurs, on peut aller à la recherche de ces bailleurs-là. Ils sont complètement découragés parce qu'ils pensent qu'on va leur donner directement le cash pour qu'ils commencent à faire leur activité. Donc, euh, déjà là, euh, l'idée qu'on se fait d'un centre, centre incubateur et centre d'accompagnement est déjà biaisée là. Une autre difficulté aussi qu'on rencontre le plus souvent, c'est on a bien envie d'aider euh, les autres entrepreneurs qui ont de belles opportunités à l'intérieur du pays. Mais nous, on est, on est à Niamey et euh, malgré euh, toute la digitalisation qu'on a sous la main, mais c'est assez difficile quand même d'aider un entrepreneur si tu n'es pas sur le terrain. Tu ne peux pas, par exemple, s'il faut faire une étude du marché, c'est quand même difficile d'avoir cette, aptitude à, à voir réellement ce qui se passe. Quoi je, pense que je vais m'arrêter là, sinon, euh, sinon les gens vont avoir peur d'entreprendre. <laughs> Mariam Abdelgado, web activiste. Euh, moi, ce que je pourrais dire euh, pour compléter un peu Kader et mhm. Laria, je pense être à la phase la plus critique pour un entrepreneur, c'est-à-dire le démarrage je suis à la phase de création. J'ai un prototype qui est là pour mon application mobile, mais je vous dis pas la difficulté que j'ai eu à, arriver là. Mm. C'est-à-dire, euh, il y a eu un blocus, un problème de financement au départ, et je suis mm. très fière de le dire aujourd'hui. 90%, mm-hmm. voire 95% des fonds mm-hmm. investis dans la création de mon application mobile sont mm-hmm. des fonds personnels. C'est-à-dire que j'ai participé au concours Orange de l'entrepreneuriat social, mais c'est pas un fonds qui me permettait de de, faire même le un tiers de la mm-hmm. création de l'application mobile. Mm-hmm. Et c'est un domaine digital qui mm-hmm. demande plus de travail des développeurs web sont derrière et aussi il faut voir la suite parce que le cahier de charge de l'application, c'est qu'il faut des révisions techniques. Il faut un suivi après. C'est pas quelque chose, je l'ai créé, c'est bon il va falloir suivre, euh, faire des visites techniques. Et j'ai beaucoup été bloqué par le cadre juridique, hein, et je profite pour le dire ici. Mhm. Il faut aussi revoir le cadre juridique pour les entreprises de jeunes. Euh, tu démarres et en même temps, tu, la fiscalité euh, va te taper alors que la chose, tu ne sais même pas si elle est rentable la première année, pour moi, ce sera une année d'essai. Mhm. Parce que c'est quelque chose de digital, mhm. c'est quelque chose qui va commencer à Niamey. Je vais voir ça rend ou pas. Mhm. Mais déjà, dans cette première année, on me demande de payer comme une entreprise standard. Les coûts fiscaux me tapent comme une entreprise standard qui marche très bien. Je pense qu'il faut avoir une adaptation à ce niveau aussi. Euh, il y a la question euh, de la collecte des données personnelles aussi qui a mhm. posé pas mal de problèmes, moi qui suis dans le digital. Mhm. Et j'ai dû revoir comment je vais euh, faire l'inscription des personnes sur l'application mobile. Mhm. Parce qu'il y a même une loi hein, qui interdit la collecte de données personnelles. Alors que bon, on a Facebook, on a Twitter, on a Instagram, c'est pire que ce que moi je propose. Donc voilà, il y a tout ça vraiment qui a été un véritable blocus. Parce que depuis 2018, vous imaginez quand même, ça fait deux ans, trois ans maintenant. Donc pour une application qui devait être lancée une année après. Mhm. On est à plus de deux ans après euh, l'échéance initiale. Et vraiment, les défis sont multiples. Et de passer ce cap-là. Mhm. Et je sais qu'après encore, euh, il y a le cap de quand on a une entreprise bien euh, voilà, la troisième partie de ce forum est consacrée à l'aide des partenaires. La République française accompagne et soutient les jeunes entrepreneurs dans leur création. Alors, euh, Abdul Kader Issoufou, euh, que pensez-vous de la coopération économique entre la France et le Niger? Waouh <laughs> euh, je, pense que la question a, englobe pas mal de choses, mhm. mais j'ai mais j'introduisais la question de l'entrepreneuriat mhm. comme une souveraineté nationale pour un État de pouvoir investir sans compter que quelqu'un intervient. Mhm. Mais comme la question m'impose à parler du cas de la France, qui est quand même un cas particulier, parce que euh, elle arrive à quand même tirer beaucoup de profit dans cette collaboration du fait de nos matières premières. Mhm. C'est que euh, d'abord pour Orano, mhm. c'est une responsabilité sociétale mhm. de l'entreprise Orano pour pouvoir soutenir euh, l'entrepreneuriat des jeunes parce que ça fait quand même des années qu'ils exploitent nos sols et qu'il n'y a pas eu en réalité, même dans les zones où ils ont extrait ces minéraux, mhm. ils n'ont laissé que la pollution, la radiation et tout ce qui s'ensuit. Il n'y a pas eu véritablement euh, le boom économique qu'on aurait espéré du fait hein. qu'il y a eu quand même euh, toutes ces années mhm. passées là-bas. L'autre chose, c'est euh, à travers, disons, leur accompagnement dans son format actuel. Mhm. Pour moi, Peut-être que je serai un peu radical, mais je mhm. pense que la France nous accompagne plus dans les distractions que dans des actions concrètes de développement euh, je ne suis pas déjà dans le sens de penser que certains secteurs doivent être. Non, mhm. dans un pays, il y a des priorités mhm. qu'on doit s'aligner du fait que ce pays a choisi ça comme priorité parce qu'il répondent à un besoin de sa population. Mhm. Mais on ne va pas aller dans le sens d'un format, j'ai de l'argent et voilà là où je veux l'amener. Non. Un État a mis ses priorités, j'amène l'argent pour accompagner ses priorités. Mhm. Moi, c'est de cette façon que je vois. Et dans le domaine de l'entrepreneuriat euh, que je connais un peu, il est inexistant, euh, voire euh, je ne dirais pas qu'il n'existe pas, mais il est tellement minime mhm. pour qu'il soit notifié comme un accompagnement formel mhm. d'un État envers un autre, mhm. aussi partenaire soit-il. tout, que pensez-vous à de la coopération économique entre la France et le Niger Bon, je, rejoins sur quelques points euh, l'avis de M. Mhm. Mm euh, c'est vrai que euh, quand vous venez en tant que bailleur de fonds, mhm. soi-disant pour aider un État, vous devez aller dans le sens des priorités de cet État-là. Mhm. Ça, il faut, il faut que ça soit parfaitement clair dans l'esprit des gens. C'est comme ça que ça doit être. Pas que le bailleur vienne et dicte ses lois ou plutôt modifie euh, vos projets initiaux. Mhm. Donc, ça, c'est un truc euh, que nous rencontrons en tant qu'entrepreneurs aussi. Vous avez une idée vers la fin, on dit écoutez, on veut vous mhm. financer ou euh, voilà, et puis vers la fin, vous vous trouvez avec autre chose. Mhm. Et c'est ce qui se passe même au niveau des États, le bailleur à État. Je dirais que dans le secteur que je connais, l'entrepreneuriat, euh, il y a eu un pas déjà qui est déjà fait par rapport euh, au financement des, des jeunes entrepreneurs, des porteurs de projets ici à travers euh, une signature qui a eu lieu en 2020 à travers le réseau Resael et le SIPMEN. Donc l'ambassade de France a financé à hauteur de, je pense, 560 000 euros, donc environ 367 millions mhm. sur deux ans afin d'accompagner, de structurer et d'accompagner euh, le réseau des entrepreneurs au mhm. Niger, mm Donc, euh, sur ce point, il y a un pas, pas significatif qui a été fait, mhm. c'est vrai, mais beaucoup de choses sont, encore là en l'état. Donc, je pense qu'il y a encore à faire et euh, beaucoup plus dans le sens où il faut mettre à disposition les fonds mhm et qu'on nous laisse mettre ça dans le secteur qu'il faut. C'est surtout ça, la grande thématique. <laughs> voilà, surtout ça. Vous allez compléter. Euh, pour compléter, euh, je suis, euh, je vais prendre mon autre casquette d'activiste hein, <laughs> mhm. parce que j'ai la chance, en tout cas dans le cadre de mes associations, surtout mhm. dans le domaine de la santé, de travailler avec différents bailleurs, les bailleurs américains, les bailleurs français. Mhm. Euh, je vois beaucoup de bailleurs américains, en tout cas dans le domaine de la santé, et beaucoup moins de bailleurs français. Ou bien, et je pense que c'est normal. Le portefeuille français est différent du portefeuille américain. Euh, c'est quand même la première <laughs> puissance euh, mondiale. Ils ont beaucoup plus à investir. Ils ont plus de facilité à aider. Je serais moins radical que Kader. <laughs> Je pense quau delà de la priorité, de la responsabilité de l'État, mm. on sait malheureusement que notre État n'a pas tous les moyens. Mm-hmm. Euh, je suis d'accord que l'État doit s'investir hein, au maximum qu'il peut, comme mm-hmm. tu as dit, mais je suis également très enthousiaste euh, mhm. quant à l'aide que peut apporter la France dans le cadre de l'entrepreneuriat des jeunes, parce que je sais qu'il y a pas mal d'idées qui sont là mhm. et que l'État de France, en fait, doit penser comment concrètement aider. On ne mhm. veut plus de promesses. Hein. <laughs> On est à un stade où on ne veut plus de promesses, mhm. on ne veut plus de rencontres où on discute des euh, problèmes, où on fait des recommandations. On a assez recommandé. Il faut passer à l'action. Euh, on voudrait vraiment que l'État français s'engage solennellement à accompagner l'entrepreneuriat des jeunes. Ce programme de l'État, par exemple, l'ambassade de France ou euh, les partenaires français doivent s'inscrire hein, mhm. concrètement et signer quelque chose de concret avec l'État nigérien pour euh, accompagner euh, l'entrepreneuriat des jeunes. Et il faudra aussi contextualiser les interventions. Je vois beaucoup de partenaires français qui arrivent avec des interventions qui ont donné ailleurs, mais qui malheureusement ici ne répondent pas. Donc mhm. quand ils arrivent, il va falloir contextualiser et aussi arriver avec les success stories de là-bas. Mhm. Moi, quand je faisais mon application mobile, je me suis beaucoup inspirée de certaines applications dans le domaine de la santé en France. Mhm. je pense que c'est des choses qu'on doit apporter ici et partager aux jeunes pour qu'ils puissent s'inspirer de ça et améliorer ce qu'ils sont en train de faire ici au Niger. Je propose à présent d'écouter la voix de deux jeunes entrepreneurs sur leur avis concernant la coopération économique entre la France et le Niger. C'est une bonne chose parce que ça va permettre aux entreprises de grandir parce qu'il euh, n'y a aucune entreprise au monde qui peut se développer sans partenariat. Un partenariat avec euh, l'État ou bien euh, des partenaires comme la France, ça sera la bienvenue. Le partenariat avec la France, c'est assez bien parce qu'ils sont, assez flexibles, hein. même en postulant leur, quand ils lancent leur appel à candidature pour euh, remplir les formulaires et autres. C'est assez flexible, mais je pense qu'il faut, qu'il faut aussi qu'ils mettent l'accent sur euh, la formation. Ce n'est pas que venir donner l'argent et ensuite après euh, attendre, mais il faut aussi former. Il faut aussi former les entrepreneurs. Abdelkader fou. Vous avez donc écouté ces deux jeunes entrepreneurs euh, sur euh, ce qu'ils pensent par rapport à la coopération économique entre la France et le Niger. Qu'est-ce que vous en dites je pense que euh, d'abord il s'agit d'un avis qui mhm. qu'ils ont leurs raisons pour je connais d'ailleurs un à travers <laughs> déjà sa voix. Je pense qu'il euh, s'agit d'une appréciation qui est de nature souvent subjective et mhm. qui peut quand même avoir chacun son, du fait de euh, la relation qu'il a eue ou de la découverte qu'il a eue par rapport à ça. Mhm. Il peut apprécier d'une façon ou d'une autre. Mais je pense quand même qu'il nous doivent beaucoup plus beaucoup plus que 300 millions. Je pense qu'ils euh, nous doivent euh, beaucoup plus que euh, en fait l'organisation de Fora. Je pense qu'ils ils nous doivent beaucoup, beaucoup plus. <laughs> J'ai écouté les deux intervenants, mais bon, c'est comme Kader dit, c'est totalement subjectif. Mhm. Et, et ma foi, je, je pense que toujours, il y a un effort qui est en train d'être fait. Mhm. D'accord. Donc, euh, c'est vrai, on va pas cracher dans la soupe. Les trois, voilà, c'est déjà là. C'est déjà là. Ils sont en train de faire des efforts pour aider cette jeunesse-là à être un peu plus autonome. Mhm. Donc, c'est déjà euh, un pas qui est fait là. Donc, c'est mieux que rien. Pour, pour ma part, je pense que il y a encore un travail qui doit être fait. Mhm. Donc, euh, des moyens beaucoup plus conséquents doivent être mhm. mis en place dans le secteur économique qui doit euh, impacter de façon concrète la mm. vie de la population. Mm. Donc c'est vrai que j'ai entendu euh, parmi euh, l'une des intervenantes mm. là a dit que ah, il faut il faut beaucoup plus former, il faut pas donner l'argent. C'est vrai, la formation c'est en avant, c'est en avant, c'est pas après. Donc pour ma part, peut-être on peut parler de renforcement des capacités, mais pas de formation. Quand vous arrivez, vous dites que vous êtes entrepreneur, vous voulez entreprendre, vous êtes beaucoup plus dans le contexte de renforcement de capacités, beaucoup plus. La formation c'est avant. Mm-hmm je, rejoins euh, Laria et Kader euh, pour dire que vraiment, je disais quand il intervenait, Kader, j'ai dit on veut du concret. <laughs> Comme on a dit, on veut plus de, de promesses. C'est très bien, c'est très bien qu'ils viennent pour aider, euh, aider le Niger. Et j'ai entendu l'une des intervenantes parler du processus qui sont assez flexibles, etc. je pense quand je parlais de contextualisation, je parlais de ça. Mhm. malheureusement, moi qui travaille avec beaucoup de bailleurs français, je trouve que leurs procédures ne sont pas assez flexibles mhm. et que les les appels à candidature pour les jeunes ne sont pas adaptés aux jeunes. On ne peut pas nous demander euh, plus qu'on a à donner mhm. en fait. C'est-à-dire, on est encore euh, en train de démarrer. Mhm. Les procédures ne doivent pas être les mêmes que pour euh, des entrepreneurs aguerris. Mhm. Souvent, il faudra même nous accompagner à bien rédiger les appels à candidature. C'est pour ça que les structures d'appui sont importantes. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les bailleurs américains et ils accompagnent les jeunes mhm. dans dans l'application, c'est-à-dire dans l'élaboration du document même que vous allez candidater. Mhm. Et c'est, on vous demande pas trop de choses en tant que jeune, c'est adapté à votre niveau. Mhm. Surtout qu'au Niger, on a un niveau d'instruction bas, donc il faudra contextualiser l'appel à candidature, même euh, le renforcement de capacité. Il faudra adapter ça au niveau en fait euh, du jeune au Niger. Donc euh, vraiment, je, les rejoins pour dire qu'on a assez promis, on a assez fait. La France doit revenir avec une autre approche d'aide mhm. au Niger. Une approche d'aide qui vient pour comprendre le terrain, qui va développer des approches contextualisées, mhm. qui va redynamiser l'ensemble des dispositifs qui sont là pour mhm. l'entrepreneuriat des jeunes et qui va impliquer directement les jeunes pour leur dire venez on veut accompagner votre entrepreneuriat, de quoi vous avez besoin. Je pense que ça déjà c'est un bon cadre. Mhm. On est venu, on a évoqué pas mal de choses et j'espère que ça va inspirer des mhm. changements dans leur politique d'accompagnement des États. Abdelkader, quelle serait l'attente de la jeunesse aujourd'hui vis-à-vis de la France comme partenaire bah, Je pense que euh, les attentes de la jeunesse, c'est d'abord, disons, euh, une certaine équité. Donc, du, du fait que, bon, quand même, ça fait quelque temps que nous coopérons, il y a un devoir, euh, je pense, de pouvoir accompagner plus euh, cette jeunesse. Mhm. Et la situation sécuritaire l'explique mhm. assez aisément qu'il y a besoin d'agir. Il y a besoin d'agir mhm. au-delà de, de, nous envoyer euh, une armée pour venir nous accompagner. C'est-à-dire le mal, il, est plus profond que ça. Le mal, il n'est pas que à combattre par les armes. C'est mal, il est à combattre par les mots, il est à combattre par des actions concrètes à l'endroit de cette jeunesse qui se réveille. Pour certaines, une bonne partie, tu lèves un jeune, un matin, tu ne sais même pas qu'est-ce qui t'attend, comment va se faire ta journée. Tu ne sais pas qu'est-ce, qui, qu'est-ce que tu vas manger d'abord en te réveillant. À midi, qu'est-ce qui t'attend le soir et le lendemain. C'est-à-dire, quand tu regardes ton avenir, tu ne vois que du noir. Mhm. Si quelqu'un vient te proposer une offre aussi, euh, disons, euh, inhumaine soit-elle, mhm. les raisons égoïstes font que tu oublies mhm. tout pour parler de ta survie. C'est-à-dire qu'il faut agir, à mon avis, dans tout cet accompagnement pour notre sécurité à tous, parce qu'il ne s'agit pas ait d'une sécurité pour le Niger, il s'agit de la sécurité pour le monde. Dans cette sécurité, l'accompagnement doit à mon avis, aller au-delà des questions des armes, aller au-delà des questions des chars, mais aller dans des actions concrètes pour trouver de l'emploi à cette jeunesse. Je pense que c'est de cette seule façon qu'on pourra véritablement casser euh, cette reconversion de notre jeunesse vers des groupes terroristes, pas par conviction. Hein. Les gens ne partent pas parce qu'ils sont convaincus d'un mouvement ou d'une idéologie, non. Les gens sont, partent, à mon avis, parce qu'ils n'ont rien à faire. Et tant qu'une jeunesse est désœuvrée, c'est qu'elle est quand même à la tentation de certaines actions qui ne sont pas toujours saines. Là, tout. Euh, quelle serait l'attente de la jeunesse euh, vis-à-vis euh, de la France comme partenaire Bon, l'attente de la jeunesse, on l'a martelée tout au long de ce débat. Hein, on l'a martelé, on va remarteler encore. C'est le passé de, la phase des discours à l'application. C'est surtout ça, parce que on connaît les discours euh, depuis qu'on était tous bébés. C'est le mm. même discours, il c'est quelques phrases seulement qu'on modifie. C'est la même chose qui revient jusqu'à ce jour. Donc, il serait temps que nos bailleurs là, surtout la France, qu'elle commence à appliquer, d'accord, d'agir concrètement sur cette jeunesse là, parce que une population où plus de la moitié, c'est des jeunes. Mm. C'est une bombe à retardement, mais qui est même déclenchée, je dirais. Parce que qui sont dans les maquis en train de nous faire des misères sous-régionalement, c'est notre jeunesse-là. Parce que comme l'a dit Kader, c'est des oives, ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire, donc qui n'a rien à faire, euh, il oublie son humanité. Donc, euh, personnellement, je pense qu'ils doivent euh, penser à, agir directement sur cette jeunesse-là. Mariam Abdou, rapidement, nous sommes presque à la fin. Oui. Euh, en termes d'attente, en plus de tout ce qu'on a dit, hein, mhm. je vais ajouter euh, une attente vraiment importante pour moi mhm. qui euh, fait du plaidoyer pour l'inclusion des jeunes dans les instances de prise de décision. Mhm. Je dirais que j'attends de la France qu'il soit regardant vis à -vis de l'implication significative des jeunes dans l'accompagnement qu'ils font pour l'entrepreneuriat des jeunes ça ne doit plus être un partenariat État-État, mais un partenariat État, État et jeunes. Mhm. C'est-à-dire, il faut qu'on soit là. Les différents cadres qui sont là pour l'entrepreneuriat des jeunes, il faut que la France soit vraiment très regardante quand ils appuient, mhm. que les jeunes soient là, mhm. que les jeunes soient représentés, qu'ils changent vraiment d'approche, que ce ne soit plus euh, on appuie l'État et on ne sait pas où est-ce que les fonds vont mais on n'a plus les tailles, on a un regard que les fonds vont vers les jeunes. Et mhm. comment on a ce regard C'est en impliquant significativement les jeunes dans, dès le départ, le début, la création des initiatives, la mise en œuvre des initiatives et le suivi des initiatives. Donc ça, c'est vraiment un cri de cœur mhm. que je lance et je sais déjà qu'ils sont dans cette optique, mais qui renforce et qu'ils aient vraiment un œil, que ça ne soit pas uniquement sur les papiers, mhm. mais qu'ils vérifient que cela est vraiment mis en œuvre par les, les États. Voilà, nous sommes au terme euh, de ce forum euh, sur l'entrepreneuriat des jeunes au Niger. Quel apport des partenaires techniques et financiers pour son développement Cas de la France, vous avez donc euh, suivi l'intervention de nos invités par rapport à cette thématique. L'entrepreneuriat des jeunes au Niger connaît depuis quelques années une évolution avec la création de plusieurs organisations dans ce secteur les multiples efforts de la Chambre du commerce dans le cadre de la formation et du soutien, la mise en place d'un tribunal du commerce, la création des ministères de l'entrepreneuriat, mais surtout la prise de conscience de la jeunesse. Malgré tous ces points énumérés, des problèmes persistent et qui ne favorisent pas le développement de ce secteur. Pour toutes ces raisons, il est important de trouver des stratégies permettant de mieux développer ce secteur pour que tout appui d'un partenaire quelconque comme la France soit bénéfique aux concernés. Nous étions en compagnie de M. Issoufou Abdelkader, directeur général Agri-Innova Inspire, Madame Yakouba Alahi Lariatou, directrice générale d'ILSI, et Madame Mariam Abdou entrepreneur social web activiste. La présentation est assurée par Fatih Zakari. La réalisation Mustapha Ayouba, la technique Issa Laoli. Merci donc à nos invités. Le programme continue sur le studio Kalangou.